Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des studios Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de l'annonce du président français Emmanuel Macron sur le départ de l'ambassadeur français à Niamey et celui des troupes françaises d'ici la fin de l'année. Ensuite, nous parlerons de l'ordonnance portant en création d'une commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale a dénommé la COLDEF signée le 20 septembre par le chef de l'État, général Abdraman Chani. L'actualité, c'est aussi cette requête du président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, qui a saisi la Cour de justice de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour obtenir sa libération ainsi que son rétablissement dans la fonction présidentielle. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir. Et Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Ousseini Sajibo, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 29 septembre par le départ de l'ambassadeur français au Niger ainsi que le retrait des troupes françaises du territoire nigérien d'ici la fin de l'année 2023. Dans une interview accordée aux médias français dimanche 24 septembre, le président français Emmanuel Macron est revenu sur la situation au Niger depuis les événements du 26 juillet 2023. Le chef de l'État français a évoqué le départ de son ambassadeur et le retrait des troupes françaises du territoire nigérien d'ici la fin de l'année 2023. Pour rappel, les relations entre la France et le Niger se sont détériorées depuis l'arrivée des nouvelles autorités militaires au pouvoir. finalement, l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, est rentré à Paris dans la nuit du mardi au mercredi vers 4 heures du matin. Que faut-il comprendre à travers le départ précipité et inattendu du diplomate français En fait, euh, Mokhtar, n'est même pas euh, inattendu parce que nous savons déjà qu'il allait partir et comment est-ce que ça allait se faire C'est ça que les Nigériens ne savaient pas. Mais on savait de toutes les manières qu'ils n'allaient pas continuer à être euh, cloîtrés dans l'ambassade, sans mouvement, sans rien, et sans être également alimentés. Parce qu'il faut reconnaître que quand tu es cloîtré, tu n'as pas euh, la possibilité de te mouvoir, tu n'as rien à manger, tu n'as... Donc, mais c'est pas à lui d'aller chercher à manger ou à boire. Mais quand on interdit ou bien quand on met la pression pour que certaines choses ne rentrent pas dans l'ambassade. Mais hein. <laughs> c'est bien, Moi, je me, je me dis qu'il a même tardé parce que normalement, en principe, depuis le jour où il a refusé de répondre à l'appel de notre ministre des Affaires étrangères, il devrait être mis dans un avion express pour quitter ce pays. Mais finalement, euh, son président s'est résigné. Est-ce que c'est une résignation Il s'est résigné parce que tout simplement, de l'autre côté, certainement que l'ambassadeur est en train de mettre la pression aussi sur son président. Moi, je voudrais rentrer, je ne peux pas rester euh, parce qu'il y a une crainte aussi pour sa vie. Je ne peux pas rester, je ne peux pas sortir, je n'ai pas ceci. Donc, c'est une pression également à l'endroit donc de son président pour qu'il fasse en sorte qu'il quitte ce pays, parce qu'il n'a rien à, chercher dans ce pays. Voilà comment moi je vois les choses. Maintenant, il a pris un vol à 4 heures du matin via N'Djamena. Et de N'Djamena, certainement, c'est pour continuer, parce qu'il ne va pas s'installer là-bas, il va aller continuer pour aller en France. De toutes les manières, c'est le peuple nigérien qui gagne c'est à la demande du peuple nigérien. C'est le peuple du, euh, Niger qui gagne. Euh. C'est le peuple du Niger qui gagne parce que le peuple du, Niger s'est mobilisé autour du CNSP. Pour réclamer son départ. Pour réclamer son départ parce que d'abord son départ a été notifié par le CNSP et appuyé par le peuple nigérien donc, c'est le peuple nigérien qui gagne aujourd'hui. Parce que le peuple nigérien a mis la pression et jusque-là, si, si le peuple nigérien ne s'était pas peut-être trouvé derrière le CNSP pour une mobilisation, une forte mobilisation, chaque soir, pendant deux mois, je ne pense pas que peut-être Macron allait reculer. Macron allait se dire que de toutes les manières, ils vont revenir à de meilleurs sentiments. Et, mon ambassadeur, je le maintiens. Mais comme il a vu que c'est le peuple aujourd'hui qui souffre soutient son armée, mais il est obligé de le faire partir. Il est obligé de le faire partir parce qu'il n'a pas de, il ne peut pas se résigner à revenir en arrière. Merci beaucoup, Mme Diado. Hassan Boukar. Dans un communiqué du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, en date euh, du samedi 23 septembre, transmis à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, ASECNA, e le Niger décide euh, de restreindre l'accès à son espace aux appareils français et ceux affrétés par la France y compris la flotte d'Air France. Comment expliquer cette escalade diplomatique entre le Niger et la France Merci. Mais je pense que euh, c'est un bras de fer. Hein. Je pense que ce sont les Français qui ont voulu le bras de fer. Ils ont joué, ils ont perdu. Ils ont joué, ils ont perdu. Ils ont perdu. Quand j'ai dit qu'ils ont joué, lorsque le coup d'État est arrivé, le 26 juillet, ils sont ceux qui ont totalement orienté l'information en disant que le coup d'État était en cours tout le monde l'a suivi, pendant plusieurs jours, alors que le président déchu était entre les mains des, militaires, que les militaires essayaient d'installer leur pouvoir, ils ont nommé des gouverneurs, des préfets, etc. Mais les Français continuent à dire le coup d'État est en cours parce qu'ils veulent engager un bras de fer. Un des premiers signes, ils ont évacué la population française alors qu'il n'y avait aucune menace. C'est parce qu'ils prévoyaient le bras de fer. Ce bras de fer, ils voulaient des prétextes pour pouvoir le faire un des prétextes qu'ils voulaient, ils ont pensé un moment que le coup d'État est opéré par un petit groupe au sein de l'armée. Du coup, le reste de l'armée pouvait revenir à la charge et donc pour eux le processus était réversible. Deuxième élément sur lequel ils ont compté, ils ont compté sur la famille politique de l'ancien président. C'est pour ça que si vous suivez un peu l'actualité, les Français disent oui, euh, il y a les partisans de l'ancien régime. Alors on dit mais on ne voit que les partisans de la jambe. On dit non, ils sont à l'intérieur du pays, ils manifestent. Puis on a fini par dire ils ne manifestent pas parce qu'on leur interdit, parce que les interdictions pour, étaient perdues. Donc il y avait cet élément. Troisième élément, les Français comptaient sur une intervention de la CDAO. Donc pour eux, il fallait absolument trouver un mécanisme par lequel ils vont euh, remettre en cause le coup d'État et réinstaller le président Bazoum euh, sur son fauteuil. Donc ils ont joué à la fois sur tous ces éléments. À un moment, ils ont dit, ah oui, il y a quelqu'un qui est proche du président Bazoum qui a lancé une rébellion dans le nord, etc. Donc ils ont joué sur plusieurs tableaux et ils finissent par se rendre compte que finalement, ils ont perdu. Et donc, quand ils perdent aujourd'hui. est-ce que la France pourra revenir encore ça, ça, dépend des, des Nigériens. Pour le cas aujourd'hui, face aux militaires qui ont fait le coup d'État, ils ont échoué. Et donc, ils ont joué, encore une fois, c'est comme ça que je vois les choses, ils ont perdu. Maintenant, l'ambassadeur, il est parti en catimini, alors que la France a annoncé que contre vents et marées, ils vont le garder. Même s'il ne sort pas de l'ambassade, ils vont le garder, etc. Donc, même s'il ne peut rien faire, parce que vous êtes ambassadeur, vous avez quand même une mission. Même s'il ne remplit pas la mission, la France a juré de le garder à Maintenant, il est parti quasiment en catimini, il a quitté, il est parti. Il reste le reste de l'armée, son, départ, son départ est annoncé euh, d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année 2023. Donc, sur ce chantier-là, ils ont joué, ils ont perdu. Et deuxièmement, pour moi, il faut que les Français se rendent compte définitivement que cette Afrique, elle a changé. Ou ils acceptent de voir la réalité en face, ou ils auront encore les conséquences en plein visage. C'est-à-dire, il y avait déjà des signaux à Bamako, il y avait des signaux à Ouaga, ils devaient se rendre compte que quelque chose a changé. Mais ils ont persisté à ne pas regarder la réalité. Ils ont eu le type de politique qu'ils ont eu en Afrique. Et aujourd'hui, vous avez une forte contestation, même dans des pays où, que la France n'a pas colonisé. Hein, euh, en Afrique du Sud, par exemple. Donc, je pense que il faut que la France se rende compte que cette Afrique dans laquelle il y a eu les réseaux focaux, cette Afrique dans laquelle, dès que vous avez le président, tout le monde suit, cette Afrique-là, elle est morte, elle n'existe plus. Il y a au moins, et on l'a vu à la faveur de la crise nigérienne, il y a un nouvel acteur qui est venu dans l'espace public, il faut en tenir compte. Ce nouvel acteur, c'est l'opinion publique. Regardez comment le président du Nigeria, tout chaud qu'il était au début, finalement, a rétropédalé, du fait d'une opinion nigériane fortement opposée à son intervention. Regardez comment le président Talon du Bénin aujourd'hui, il est mis à mal par son opinion publique. Regardez le Sénégal, etc. Et donc, la France elle continue à avoir des vieux clichés sur l'Afrique en pensant qu'elle viendra, elle fera signer des papiers à Ibeka, à Marc Roch Christian Kabore, à Mohamed Bazoum et penser que tout le monde va suivre. Cette Afrique, ce n'est plus la même Afrique. Et donc, c'est un bras de fer qui traduit encore une fois une sorte de myopie de la diplomatie française. Un bras de fer qui, ira jusqu'où, selon vous À mon avis, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste Vous avez toujours les sanctions de la CDAO, mais le bras de fer de la France, c'est de dire je suis au Niger et j'ai fait ce que je veux si au Niger, si on me chasse, je m'en vais quand je veux. C'est bien ça le, bras de fer que la France a voulu. Aujourd'hui, mais, cela profite à qui Son départ aujourd'hui montre quelque part que l'opinion qui veut lui faire passer un autre message, le message qui consiste à dire nous sommes au Niger et tout s'est fait par la volonté des Nigériens, c'est bien cette opinion qui a gagné aujourd'hui. Et donc la France voulait faire passer un autre message, c'est bien elle qui a perdu. Au moins, le temps de cette crise et euh, si elle va revenir un jour, ce serait, j'imagine, dans les conditions fixées par les Nigériens. Merci beaucoup Hassan Boukara Nissa Sajibou. Les relations entre la France et le Niger se sont détériorées depuis l'arrivée des autorités militaires au pouvoir. Quel avenir pour les relations entre Paris et Niamey Nissa Moi, je ne peux prolonger que ce que Abba vient de dire pour l'instant, avec ces nouvelles autorités militaires, hein, c'est bourrier. C'est pas possible. C'est pas possible d'autant que le peuple est debout. Le peuple est dans une dynamique. Oui, mais est-ce que la France ne peut pas faire marche arrière Non. La France a un président qui considère que plus colon que les anciens parce qu'il n'a. En tout il n'a pas interrogé les politiques. Les politiques, y compris autant de Focas et tout et tout, c'était pas comme ça. Lui, aujourd'hui, il est plus colon que tout ce beau monde. Les Mitterrand ont défilé et tout et tout. C'était une politique subtile. Mais lui, il vient, c'est l'imposition. Je suis d'accord. Mais je comprends pourquoi il est resté dans cette posture-là. Parce que ceux-là qui ont été renversés, ils lui ont donné la garantie que il n'y a rien qui va se passer au Niger. Ça peut se produire au Mali, ça peut se produire ici au Burkina, en Centrafrique, tout ça. Mais non, c'est pas possible. Ils ont toujours rassuré Macron que non, vous pouvez dormir sur vos lauriers, il n'y a rien qui va se produire au Niger. On tient les choses à main, n'est-ce pas Il n'y a pas de sentiment anti-français. Sentiment anti-politique. Française. Française. Il faut bien qu'on se comprenne. Malheureusement, il a eu affaire à des interlocuteurs qui lui ont donné cette garantie, qui ont permis un certain nombre de choses contre la volonté des citoyens. Quand on a vu comment la force Barkhane est arrivée s'implanter dans ce pays, on savait que tout à le monde... À travers les événements de terrain Justement, au-delà des événements de terrain les gens ont suivi le processus depuis qu'ils ont été chassés du Mali et tout et tout. Les gens ont suivi le processus, mais on leur a fait comprendre, on l'a fait comprendre à Macron que non, vous n'avez aucune inquiétude à vous. On est parti, on a modifié un peu donc, donc, Selon vous, ce qui s'est passé le 26 juillet. C'était une surprise pour euh, le service de renseignement. Quel service de renseignement Aujourd'hui, vous savez, euh, Mokhtar, c'est qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que ce n'est plus les mêmes personnes des années 80, 80. Tous ceux qui sont en train de faire ce mouvement, c'est des gens, quand vous allez regarder un peu la date, c'est après 90 et tout et tout. Ils ne connaissent pas cette politique de soumission vis-à-vis -vis de la France, n'est-ce pas C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'eux, ils sont restés avec cette même mentalité, considérant que les gens ont grandi dans cette même mentalité. Au Burkina, ceux qui combattent la France, les jeunes qui sont debout derrière Ibrahim Traoré. Au Mali, ceux qui sont derrière, c'est des euh, gens qui n'ont rien à foutre avec ces gens et qui ont déjà leur façon de voir comment la diplomatie, comment les relations désormais doivent marcher, n'est-ce pas Alors, si la France veut, n'est-ce pas, reprendre, ce n'est pas totalement coupé, mais ça ne va pas se produire du jour au lendemain. Parce qu'il y a une autre manche. On a gagné peut-être une victoire d'étape, le départ de l'ambassadeur. Maintenant, il dit ces troupes vont quitter d'ici la, fin. De... Mais s'il te plaît, ce n'est pas à lui de décider seul des modalités de départ de ces troupes-là. Il faut qu'ils viennent, ce n'est pas à lui. Et c'est ça qui me choque un peu par rapport au comportement de, de, de, la jeune. Non, non, non, vous ne décidez pas vous seul. Venez, on va s'asseoir pour définir des modalités de départ, n'est-ce pas Vous ne nous mettez pas dans une posture où on ne sait pas à quel moment il faut prendre les, dispositions qui s'imposent pour que, parce que vous savez, avant que ça ne soit effectif ce départ de, de, l'ambassadeur, on nous a déjà servi quelque chose qu'il y a eu une rencontre à Zender avec euh, le chef des opérations militaires de Barkhane ici. Et puis bon, il n'y a plus rien eu par la suite il faut qu'on exige de la France et de Macron. Non, ça ne se passe pas. Ce n'est pas un champ libre que vous avez trouvé pour camper venez, on va discuter des modalités de retrait. Ça, c'est important parce que je me dis, ça peut être aussi le fait de dire, bon, vous pouvez rentrer. Quand quelqu'un pense qu'il peut même venir te bombarder pour installer un président, parce qu'ils vont s'en aller, on s'en fout de où ils vont aller. Ce que les gens demandent, c'est qu'ils s'en aillent de notre pays. C'est tout. Maintenant, le point de chute là. Le Niger n'était pas seul. Le Niger avait été appuyé par euh, les citoyens d'autres pays. Euh. Mais attendez, ils ont quitté le Mali, ils ont quitté le Burkina. Ils sont venus au Niger. Au Niger, on a dit pacter. Maintenant, ils n'ont qu'à pacté là où on peut les acquérir. Est-ce que. En quoi tu veux que ça soit une préoccupation pour les Nigériens Nous, notre préoccupation aujourd'hui, c'est les sanctions de la CEDAO qui ont un impact, qui ont des effets négatif sur la vie des citoyens. C'est ça le plus important pour nous. Merci beaucoup, Senissa. Euh, on on Diado, rapidement. Je voudrais juste d'abord, parce que les propos de Macron me font rire. Comment ça Oui, parce que Macron ne reconnaît pas le CNSP. Et il sort, il dit que ses militaires vont quitter d'ici la fin de l'année. Dans, ce cas, il reconnaît le CNSP, puisqu'il va devoir discuter avec le CNSP sur le départ de les modalités militaires. De, oui, oui, sur le départ de ces militaires-là. De deux, qu'est-ce qui a fait en sorte que Macron ne s'était pas prononcé rapidement C'est parce qu'il réfléchissait, dans quel pays ces troupes-là vont se rendre. Parce qu'il ne veut pas en fait lâcher l'Afrique de l'Ouest. Il était en train de regarder entre le Bénin, par exemple, puisque le Bénin est un pays qui est plus proche. Ou le, Tchad. Oui, le, le, Tchad encore ça va, parce que le Bénin est vraiment à côté du Niger mm. Et le Bénin, c'est plus facile pour le Mali, le Burkina Faso, quand on a son armée au Bénin. Mais les, troupes françaises ne sont pas là pour déstabiliser, c'est pour euh, lutter contre le terrorisme. C'est ce que toi tu penses. Les troupes françaises, moi je n'ai jamais cru que les troupes françaises étaient là, en tout cas pour lutter contre le terrorisme. Il faut se rendre compte à travers tout ce qu'on a vu et à travers tout ce qu'on a su. Maintenant, le Bénin, il n'a pas la possibilité d'amener ses militaires au Bénin. Parce que tout simplement, les populations béninoises sont en mouvement. Ils ne vont pas accepter, cette population ne va jamais accepter, en tout cas, que du Niger, l'armée s'installe au Bénin. Parce que dans ce cas, si le président Talon accepte d'accueillir les bases françaises, ça veut dire que ça sera la chute également du président. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le général de brigade Abdraman Chani, a signé mercredi 20 septembre une ordonnance portant création d'une commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale dénommée la COLDEF. Selon le communiqué du CNSP lu à la télévision nationale, cette commission a pour mission de répondre aux attentes du peuple nigérien à la justice, mais également le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis ou détournés. Hassan Boukara, il ressort de ce communiqué que la création de cette euh, commission matérialise l'un des engagements forts euh, pris et par le président du CNSP lors de son message adressé à la nation le 28 juillet 2023 en vue de lutter contre la corruption, l'impunité, le détournement des biens publics et la mauvaise euh, gouvernance selon le communiqué. Quelle est votre opinion au sujet de la création de cette commission Merci. Moi, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur ce type de commission. Pourquoi je, veux dire que de la conférence nationale à aujourd'hui, on a vu plusieurs commissions. Par exemple, ce type de commission ne peut jamais remplacer la justice. L'institution qui est là pour euh, juger les gens, dire le droit, c'est vraiment la justice dans un pays. Maintenant, ce type de commission peut avoir une utilité euh, limitée dans le temps. Limitée dans le temps, ça veut dire qu'on peut lui confier, il ne faut pas la surcharger, on peut lui confier des dossiers emblématiques, n'est-ce pas Les gros dossiers. Voilà. Les gros dossiers, par exemple, on a vu pendant les 12 ans, les 13 ans de la Septième e République qu'il y a un certain nombre de dossiers qui ne peuvent pas prospérer. Devant la justice. Devant la justice, parce qu'il y a des enjeux politiques extrêmement importants. Vous prenez le cas du, dossier du ministère de la Défense. Euh, regardez comment cela a été traité. C'est vrai que c'est un dossier qui est pendant devant les tribunaux. Ça montre clairement que, avec les régimes qu'on a connus avant, ce dossier ne peut pas prospérer. Mais, ces régimes-là ne sont pas là. Oui, oui, ils ne sont pas là. Je veux dire, lorsqu'on confie ce type de dossier à une commission qui est là pendant une transition, oui, elle peut le travailler parce que l'expérience a montré que, autrement, ce type de dossier ne peut pas avancer. Prenez un dossier, par exemple, sur la question des hydrocarbures. C'est un dossier extrêmement sensible. Je rappelle que l'opposition politique avait demandé à un moment une commission d'enquête parlementaire pour mieux regarder la gestion du secteur des hydrocarbures. Ça n'a jamais prospéré. Pourquoi Parce que les enjeux, les personnes qui sont impliquées, les milieux d'affaires. Ils ont des tentacules un peu ah, partout. Ah, alors, ces milieux sont extrêmement puissants ils tiennent quelque part les politiques, ou alors ils se tiennent avec les politiques, ce qui fait que certains dossiers n'ont pas la chance de prospérer. Si on sélectionne ce type de dossier-là, pour les confier à une commission, pour les travailler en un temps raisonnable. Parce que euh, les dossiers en justice, normalement, même dans une transition, même lorsqu'on suspend la Constitution, si vous engagez sur un dossier, il y a une procédure à suivre. Cette procédure, elle est dépendante des textes, des, règlements en vigueur dans un pays. Ça peut, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que si on choisit un certain nombre de dossiers assez précis, sur lesquels il y a suffisamment d'éléments, mais aussi des dossiers emblématiques, comme je le disais, qui ne peuvent pas prospérer autrement que dans des cadres comme celui-ci. En ce moment, c'est d'accord. Et là, ça aurait un avantage. Quel est l'avantage L'avantage pour les citoyens, c'est que ça finit par vous dire que les délinquants ont beaucoup rire la justice court plus vite que les délinquants. Et un jour ou l'autre, la justice rattrape les délinquants. Ça, vous faites passer le bon message aux citoyens. Sinon, regardez aujourd'hui l'opinion Selon vous, ça moralise Ça moralise, ça a vraiment une dimension pédagogique. Ça montre aux citoyens que vous pouvez être aux affaires. Ça peut être mais votre tôt ou tard, mais tôt ou tard, vous, allez par être devant les juges. Et ça, c'est un bon message qu'on fait passer aux citoyens. Parce que pourquoi les gens continuent à voler pendant ces 13 ans, tous ces cas qui ont été dénoncés par les médias, par différents acteurs, les défenseurs des droits humains, les médias, les gens ont continué à le faire malgré les dénonciations parce qu'ils sont convaincus que rien ne leur arrive. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion de leur prouver le contraire. Que ceux qui ont volé, ceux qui se sont rendus coupables de crimes économiques, euh, regardez par exemple le cas d'une personnalité. le juge dit, il y a suffisamment de preuves pour lesquelles j'ai besoin de l'entendre une institution de la République couvre cette personne en refusant de lever son immunité. Ce type de dossier, par exemple, peut prospérer si on les confie à une commission ad hoc qui, peut travailler le temps d'une transition. Donc, pour moi, faut pas créer trop, une trop surcharger la commission. Voilà, je, veux dire, il y a un type de travail que seule la justice peut faire. Parce que la justice, elle est là, elle est permanente, la justice. Même si un dossier peut s'étaler dans le temps, prendre 4, 5, 10 ans, la justice est là en tant qu'institution permanente. Mais une commission, généralement, sa durée de vie se confond à la, transition. Or, une transition, elle est forcément euh, courte. Donc, pour moi, il ne faut pas surcharger. Il faut vraiment lui confier une mission assez précise dont les retombées politiques peuvent être importantes pour la transition. C'est un peu comme ça que je vois ça. Merci beaucoup Hassan Boukara, Ousseini Sajibou. La COLDEF constitue une réponse aux attentes euh, du peuple nigérien à la justice avec euh, pour mission principale le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis et ou détournés, indique le communiqué. Comment cela va-t-il se passer dans la pratique D'abord, moi, je vais me ranger de ce que vient de dire Boukara. Ah. N'est-ce pas Moi, Dès qu'on a, j'ai entendu parler de, on a mis en place une commission, j'ai dit, toi, c'est foutu. non, c'est foutu. Non. Je vais dire pourquoi. On a vu la commission Crimeabi. On a vu d'autres commissions. Pratiquement, pendant toutes les transitions, c'est des commissions qu'on a eu à mettre en place. Mais au bout du compte, aujourd'hui, après, après les transitions, c'est fini. Il y a un certain engouement. Mais dès que les activités politiques vont commencer, vont reprendre, mais c'est fini. Après, il y aura un relâchement. C'est-à-dire, bon, les gens vont oublier. Moi, ce que j'aurais aimé, voir mettre en place une cour spéciale. Je ne dis pas de supprimer. L'idée est eh bien. Ce que Azam Abba vient de dire, moi, je suis d'accord, mais avec des dossiers bien précis. C'est-à-dire qu'ils peuvent être traités rapidement. Mais imaginez ce qu'il y a eu comme Gabéji entre 2011 à 2023. Est-ce que vous pensez que dans un laps de temps sur 4 ans, sur 2 ans, 2 ans de, ou 3 ans de transition, vous pensez que cette commission-là est capable de vouloir éplucher tous ces dossiers et pouvoir récupérer Moi, je veux une cour spéciale C'est que ça s'est passé. Une, ah. cour spéciale différente euh, de la justice Oui, mais avec un peu de forme. Eh, quand on veut moraliser là, il faut donner le bon exemple. Mais on va mettre une commission. Où oh, les gens vont venir s'asseoir, on va te dire, voilà, non, mais tu as eu telle chose, telle chose, telle chose ça finit toujours par devenir un truc où c'est opaque. Les gens vont se tirer, vont parvenir à s'en sortir, à faufiler dans les mailles, n'est-ce pas Alors que dans le cas d'une cour de justice, parce que les gens, c'est ostentatoire, le détournement, l'enrichissement illicite et tout et tout. C'est devenu, y compris la cour de compte, dans ses rapports, a montré qu'il s'est posé la question comment des gens peuvent se retrouver avec des milliards parce qu'ils sont simplement ministres. Alors, qu'on dise à une commission, venez, vous allez. Non, moi je dis, c'est une cour. On va donner toutes les formes qu'il faut à cette cour-là où les gens vont venir. Il faut justifier tes biens. Tu as eu ça où voilà ce que tu gagnes en tant que ministre. Voilà tes avantages et tout. Euh, euh, euh, à, travers cela, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Quelle chasse Pardon, quelle chasse, aux, chasse aux sorcières Mais non, entre 2011 à aujourd'hui, on connaît à partir de 2011, on connaît, les gens se connaissent. En 2011, tu avais quoi Alors, tu te retrouves avec un parc automobile chez toi, des grosses cylindrées et tout. Tu te retrouves avec des buildings. Tu as gagné l'argent où Est-ce que c'est ton salaire en tant que ministre Est-ce ton salaire en tant que DG d'une société Non. C'est des choses qui peuvent se vérifier et puis personne ne peut contester. Et c'est ça qui peut rendre justice au Niger. Si on dit non, non, non, c'est la commission qui va gérer. D'abord, la commission, jusqu'ici, on ne connaît pas la composition et tout, on ne sait pas comment ça va être formé. Mais ce qui est sûr, ce que moi je me suis dit, c'est qu'on veut rater. Parce que chaque fois qu'on parle de commission, c'est quelque part, c'est foutu on veut rater les choses. Alors que cette fois-ci, on veut, la commission crée avait à travailler. Personne ne sait ce que ça a donné comme résultat. Moralisation, la dernière commission de Moussi. Abdoukarim Moussi, autant Ça a donné quel résultat On vient, on dit simplement, voilà les montants qui ont été recouvrés et tout et tout. On ne sait même pas où l'argent passe. Il faut qu'on arrête ça. Et en plus, le plus souvent, les mêmes gens qui sont compromis, ils vont récupérer leurs biens. C'est-à-dire sans passer par la justice. Ah, il faut éviter ces choses-là. Il faut que ce soit la justice qui soit. C'est un tribunal qui a jugé, vous avez détourné, vous n'avez pas pu justifier, on vous confisque. Et de manière irréversible, on confisque. C'est comme ça qu'on peut rendre justice au Niger. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Memouna Diado, il ressort enfin de ce communiqué que le président de la transition engage le CNSP, le gouvernement et les membres de la COLDEF à travailler sans faille en gardant à l'esprit seule la mission de défense des intérêts du Niger. Que peut-on retenir au sujet de la mission assignée à cette commission et les attentes des Nigériens Bon, je ne peux également que m'aligner à, mes deux euh, euh, prédécesseurs. C'est que, avant toute chose, moi, j'aurais bien voulu d'abord qu'on fasse en sorte que la justice ait son indépendance. Parce que moi, je me dis que le travail qu'on a confié à la commission, si la justice aujourd'hui est dans son plein droit pour pouvoir travailler convenablement avec euh, son indépendance totale, je pense que les choses peuvent être réglées par la justice. Ils l'ont dit. même, les gros dossiers qui sont actuellement les devant les tribunaux. On, avait dit que peut-être les gros dossiers, comme c'est des affaires politiques, là, on peut les confier au niveau donc, euh, de cette commission pour que cette commission puisse travailler. Mais maintenant, ceux qui seront nommés dans cette commission, il faut que ce soit des personnes dignes de confiance des gens qui vont travailler uniquement pour l'intérêt de ce pays. Pas des personnes qui seront encore là-bas où ils vont travailler non pas pour l'intérêt de leur pays, parce qu'il y a des dossiers qui peuvent attirer là-bas et des dossiers où des gens pourront se retrouver dans ces dossiers-là, ou bien pourront avoir des parents qui se retrouvent dans ces dossiers-là et qui ne pourront pas, en tout cas, traiter le dossier convenablement. Là, moi, c'est mes attentes, en tout cas, au niveau, donc, euh, à l'endroit du CNSP. Mettez des gens qui peuvent faire le travail. Ne mettez pas des gens vous Pensez, vous pensez à qui, par exemple Non, je ne peux pas, je peux pas <laughs> donner un nom, mais j'interpelle pour que ça ne soit pas une autre commission de plus. Pour que ça ne soit pas une commission de plus. On a vu la LCA, comment la LCA a fonctionné. Durant, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, la LCA a fait quoi Si ce n'est Allait perturber les examens de ces élèves-là Est-ce qu'aujourd'hui... aujourd'hui la, a quand même a fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que l'Alcia a fait quel est le dossier que la Alcia aujourd'hui a pu, en tout cas, traiter et qui a pu satisfaire les Nigériens je ne vois pas. Peut-être que euh, la Halcia n'a pas véritablement répondu aux attentes des Nigériens, mais ils ont fait quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait ah, de, de, toi à moi, on a décrié cette situation où la Halcia se mêlent des examens du BEPC, du baccalauréat. Et même des concours. Et même des concours. Donc, les concours, ça peut, ça peut se comprendre parce que c'est des concours. Là, mais, mais quand la Alcia va à euh, des examens de BEPC alors qu'il y a des dossiers qui l'attendent, mais si c'est une commission, on crée une commission pour créer et dire au peuple nigérien qu'on a créé cette commission, c'est pour mettre le Niger dans ses droits, et qu'au finish, on se retrouve sans droit et ni rien, moi je me dis que vraiment, ça ne promet pas. Et la seule manière pour que ça promette, c'est vraiment de mettre des gens cohérents. Merci. Mettre des gens, des responsables qui ont aujourd'hui le sentiment, le sentiment pour pouvoir travailler pour ce pays-là. Merci beaucoup, Mme Gado. Rapidement, Hassan Boukar. Oui, ce que je, veux dire, Mokhtar, une, transition, de par euh, sa durée de temps, il y a des choses qu'elle ne peut pas régler. Par exemple, la question de la corruption. La lutte contre la corruption est un travail permanent. Ce n'est pas quelque chose qui se fait un moment et puis ça s'arrête. Par exemple, on peut regarder aujourd'hui, là, Hussein l'a évoqué, la question de l'enrichissement illicite. Ça fait longtemps on a un texte sur l'enrichissement illicite. Les techniciens, aujourd'hui, on peut voir avec eux, est-ce que ce texte a des limites Parce que le sentiment que les Nigériens ont, c'est que ce n'est pas opérationnel. Les gens continuent à s'enrichir sur le dos de l'État sans qu'on soit capable de leur demander des comptes. Est-ce qu'il y a des limites aux textes qui ont été élaborés dans ce pays pour lutter contre l'enrichissement illicite. La transition permet d'amender les textes et de faire en sorte que désormais les textes soient beaucoup plus opérationnels. En discutant avec des techniciens, c'est des choses qui sont faisables. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire euh, dans le temps d'une transition. Hein. Euh, euh, regardez par exemple aux hommes qui appliquent les textes. Bon, je ne sais pas là, qu'est-ce qu'on va faire Parce que les textes, on peut toujours les, les, avoir. Il y a ensuite la question des hommes et tout ça, la question Il y a énormément de choses, à mon avis. Lorsque les dossiers principaux seront traités, il faut qu'on revienne à des questions spécifiques comme le rôle de la justice. La justice, pour moi, a vraiment manqué à son rôle. Si on revient aujourd'hui à poser des questions qui auraient pu être traitées par la justice, c'est que quelque part, il y a eu un manque dans le travail. Merci beaucoup, Assembouka. Rapidement, rapidement. Juste pour compléter, hein, quand on voit un peu, par exemple, quand tout à l'heure, je suis d'accord avec ce que Memouna a dit, concours, machin, il y a eu quelles sanctions il y a eu quoi On a annulé des concours et tout et tout. a récemment, il y a, il des gens qui se sont retrouvés en prison. il y a beaucoup Qui, ils sont qui Ils sont qui quand il y a eu le concours de la santé là, il y a des listes, listes de tel, listes d'un tel, qui a été inquiété. Ça, c'est un aspect. Maintenant, par rapport à tous les dossiers qui sont traités, on voit comment les dossiers sont traités, transmis à la présidente. Pourquoi on va transmettre des dossiers à la présidente Ça risque d'être le même système où quelqu'un, parce qu'il est inquiété et qu'il a quelqu'un qu'il connaît dans le système, l'appel et, et puis on met le pied dessus, Et puis alors, on va se retrouver dans une situation où ça va être déséquilibré. Merci beaucoup à tous. On intervient une courte pause. Près de deux mois après le putsch euh, qu'il a renversé, euh, le président déchu Mohamed euh, Bazoum du Niger a saisi la Cour de justice de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour obtenir sa libération ainsi que de son rétablissement dans la fonction présidentielle. Il porte plainte contre l'État du Niger dénonçant son arrestation et sa détention arbitraire ainsi que est celle euh, de son épouse et de son fils. Ousseini Sajibo, rapidement, la requête déposée le 18 septembre passé par l'avocat sénégalais euh, Maître Mohamed Seydou Diagne a fait cas de violation de la liberté d'aller revenir du président Mohamed Bazoum, de Madame Hadiza Bazoum et du sieur Salim Bazoum. Quelle est votre opinion sur euh, ce sujet judiciaire bah, tu viens de dire qu'il porte plainte contre l'État du Niger. C'est lui le président du Niger, non Mais comment tu peux porter plainte alors que toi. C'est lui le, président des Choux. Mais, le, non, mais il dit que c'est contre l'État du Niger. Mais en tant que président, il dit qu'on le rétablisse dans ses fonctions. Alors il y a une contradiction dans la démarche. Maintenant, c'est son droit d'aller vers la CDAO. C'est bien son droit d'aller vers la CDAO, demander à ce qu'on le, euh, le libère, d'accord. Mais qu'on le rétablisse dans ses fonctions. Mais déjà, une seule voix tu as entendu un coup d'État où ça dit, il n'a pas réussi l'aval des populations. Aujourd'hui, on voit les mobilisations un peu partout, y compris dans les campagnes, où les gens acclament cette affaire-là. Et lui, il va aller devant la CEDAO. Mais la CEDAO va faire quoi D'abord, les gens ont une dent contre la Cour, la CEDAO même. Les gens ont une dent. Non, l'institution et non la Cour. Ah, mais c'est pas. Non, mais attends comme Maman Ousmane Ali, on n'a pas résisté son, à, la suite des élections. Là. On sait que tout est politique. Machin. Aujourd'hui, la CEDAO même a la queue entre les jambes. Parce que tout simplement, les sanctions qui ont été édictées contre le Niger, c'est pas tout simplement, et c'est plus comment maintenant, et comme les autres pays. Quand on sait qu'au Mali, par exemple, quand ils ont attaqué la CEDAO, la Cour a donné raison devant lui et moi, la Cour, a donné, la cour de justice a donné. Jusqu'ici, ils n'ont pas levé les sanctions. Alors, c'est quoi ces institutions-là Ils servent à quoi il peut aller là-bas parce que tout simplement, il a l'opportunité d'aller là-bas. Mais c'est la première fois dans un coup d'État où on voit un chef d'État peut se permettre, celui juge peut se permettre. savez qu'on a connu. Le jour où on a débarqué Tanja là, il a été gardé pendant un bout, un bout de temps ici. Ensuite, on l'a déféré, on l'a amené, le vieux Tanja. N'est-ce pas C'est un ancien militaire, n'est-ce pas Lui, il peut se permettre parce que tout simplement, il considère, mais non, mais non, moi je me dis quelque part, non. Il y a un, y a, un laxisme. de la part même de la jeune. Honnêtement. Les, autorités militaires. non, moi je pense que. Non, mais lui donner même la possibilité d'aller devant la CEDAO pour protester par rapport à son sort. Lui, il est encore dans des conditions de détention qui sont acceptables parce que c'est toujours la présidence. Merci beaucoup, Hussein Issajibo Memouna Diado. Euh, celle-ci, euh, c'est-à-dire la requête, euh, évoque ainsi la violation des droits politiques du président Duchu ainsi que la violation des principes de convergence constitutionnelle au détriment du président Mohamed Bazoum. Que peut-on retenir au sujet de cette affaire? rapidement Combien aujourd'hui de gens ont été privés oui, de leur liberté. Mais que ça soit politique, mais, que ça passe devant les tribunaux. Tu, m'as posé une question. Ça, passe toujours devant les tribunaux. Aujourd'hui, combien de Nigériens prisonniers se trouvent en prison Des prisonniers politiques Oui. Combien hein? Ici, on a dit qu'il y a eu des coups d'État. Combien de militaires sont dans les prisons actuellement est-ce que ces militaires ou bien ces hommes politiques n'ont pas ce droit d'aller vers la CDAO, la cour de la CDAO pour porter plainte Il faut qu'ils donnent du respect au peuple nigérien. Il faut est-ce que c'est une façon de manquer de partir devant les tribunaux C'est une façon de manquer du il respect. Faut qu'il manque, il faut qu'il respecte le peuple nigérien parce qu'aujourd'hui, il n'est pas dans une détention où moi je penserais ou je considérerais que il est dans un prison. Pourtant, il est toujours gardé. S'il est gardé, qu'il sache que c'est également pour sa propre sécurité, qu'il est gardé. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un coup d'État, un, régime qui a fait du mal au peuple nigérien et qu'on ne puisse pas protéger celui qui était quand même un des présidents de ce pays au moment où on a fait le coup d'État. Est-ce qu'aujourd'hui, il se sentirait bien vu par les populations nigériennes Est-ce qu'aujourd'hui, quand on le laisse partir dans certains quartiers de, Niamey uniquement, est-ce qu'il peut marcher tranquillement sans se retourner derrière Est-ce qu'il ne sera pas inquiété C'est ça. Aujourd'hui, c'est un devoir pour ces militaires qui ont renversé le pouvoir de le garder pour un laps de temps pour sa sécurité, sa propre sécurité à lui et à sa famille. Mais s'il ne comprend pas que c'est pour sa propre sécurité et qu'il veut aller devant la cour de la CDAO, mais <laughs> c'est son droit le plus absolu d'aller devant la cour de la CDAO. Maintenant, nous allons écouter la cour de la CDAO parce que moi, je n'ai jamais entendu où un président qui a été déchu, comme l'a dit Ousseini, et qu qui, qui, insiste qu'on le rétablisse jusqu'à deux mois avec des institutions euh, déjà euh, de la transition, mise en place de la transition, avec aujourd'hui des gouverneurs qui dirigent dans, les huit régions. Mais même si on le replace à sa place, comme il le dit, il va diriger quel peuple Merci beaucoup, Maimouna Diado. Le peuple aujourd'hui, c'est le peuple, le vrai peuple c'est le vrai peuple qui se retrouve aujourd'hui devant l'escadrille là-bas. C'est le vrai peuple qui est en train de lutter dans les autres régions du pays pour montrer que le Niger nous appartient Merci beaucoup, Mamoud Non, c'est juste pour dire. Rapidement. Que quand si c'est un président qui a honnêtement travaillé pour son peuple, je suis sûr que ce qui s'est passé hier au Burkina Faso ou avant-hier au Burkina Faso, ça sera la même chose qu'on allait faire de lui. Vous voulez dire, que c'est la population qui va, qui va exiger sa libération Exiger sa, libération. Mais dans ce cas, du moment où la population aujourd'hui ne se, ne se contente plus de savoir s'il sera président ou il reste président, mais déjà, on doit passer l'éponge, on doit déjà passer à autre chose. Merci beaucoup, Mme Il faut qu'il se résigne. Merci. Merci beaucoup. Hassan Boukara. En choisissant la Cour de justice de la CDAO, le président déchu espère obtenir sa libération ainsi que son rétablissement au pouvoir par la voie judiciaire. Concrètement, est-ce que cela est possible dans ce Niger actuel Mais ce sont droits il faut le reconnaître, le droit. je pense que les militaires aussi ont porté plainte euh, devant la Cour de la CDAO, la Cour de l'UOMOA, sur les sanctions, parce que nous, Nigériens, nous considérons que ces sanctions sont injustes. Donc ils ont porté plainte. On peut entendre le président déchu. Il a le droit de saisir des tribunaux pour euh, demander euh, qu'on le mette dans ce qu'il estime être ses droits. Mais moi, je, constate que c'est un changement dans sa démarche. Je cru comprendre que quelques jours après le coup d'État, euh, à travers une publication qui lui est attribuée. Il a demandé l'aide des États-Unis, il avait demandé l'aide d'autres pays. Donc aujourd'hui, le fait qu'il prenne le terrain judiciaire, ça montre que les autres attentes qu'il a n'ont pas prospéré. Donc il change de sujet. L'intervention, vous voulez dire bien, En tout cas, il avait demandé à travers euh, des, euh, un article qui a été publié, je ne sais pas, par le Washington Post ou quelque chose comme ça, euh, il avait demandé du secours aux États-Unis et tout ça. Donc finalement, donc ça veut dire que cette voie n'a pas prospéré. Donc là, il laissait le terrain judiciaire. On ne sait pas à l'avance que va dire la justice, mais on peut se dire, euh, aujourd'hui, je ne crois pas, c'est quand même difficile de voir quelqu'un, après deux mois de coup d'État, rétabli dans ses fonctions, euh, je me demande dans quelle mesure est-ce que c'est possible. Je, rappelle que les décisions de justice aussi, euh, on a des décisions hein, qui ne sont pas appliquées de lors qu'il n'y a pas la force pour les contraindre. À un moment, je pense que son espoir, c'était une intervention de, militaire pour le, pour le replacer. Aujourd'hui, tout laisse croire qu'il euh, y a peu de possibilités qu'il y ait une intervention militaire pour le replacer. Donc c'est peut-être pour ça qu'il va sur le terrain. Mais dans le principe, il faut reconnaître que ce sont droits. Mais je pense que puisque pour tout le monde c'est un cas inédit où quelqu'un qui a été déchu par un coup d'État qui demande à être rétabli dans ses fonctions. Et décision de la Cour de la CDAO serait quelque chose d'utile pour l'avenir. À mon avis, ce qu'il se prononce, ça peut être quelque chose qui peut être riche d'enseignement. Comment, par exemple, le juge de la CDAO perçoit cette situation où quelqu'un, est déchu par un coup d'État, il ne démissionne pas, et il demande à la justice de le rétablir dans ses droits. Donc, ça peut être pour les techniciens de droit une bonne décision. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum de studio Kalangu. C'est déjà fini euh, au Sénissa. Euh, merci à nos invités, Maimouna Diado, journaliste indépendante, Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, et Ousseinissa Jibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Hausa et dimanche, celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assurée par Issa Lawali, à la réalisation Mustapha Ayuba. C'était Mokhtar Hamad à la modération du forum. Merci, au revoir.